Monsieur dames, bonsoir et très ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra à Télévision consacrée comme chaque dimanche à la rétrospective de la semaine. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Un seul point était inscrit à l'ordre euh, du jour de la séance du samedi 21 mai 2022 dans l'interpellation de la ministre des Mines sur les conditions de gestion et l'exploitation des sites d'orpaillage au Niger. Le compte rendu avec Zainab Gagra et Ibrahim Kantama répondu présente à l'interpellation des représentants du peuple. Il s'agit de la ministre des Mines, Madame Hussein Hadizatou, interpellée par les députés pour répondre aux préoccupations des députés sur l'exploitation minière artisanale. La présente interpellation vise à ouvrir un débat sur l'exploitation minière artisanale qui couvre une grande partie des, activités d'exploitation aurifère au Niger. Pour éclairer la lanterne des députés, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance 2017-03 du 30 juin 2017 portant loi minière qui dispose que L'exploitation minière artisanale consiste à extraire et à concentrer les minéraux en vue de récupérer là où les substances utiles qu'ils renferment par des méthodes ou procédés manuels et traditionnels sans exigence de mise en évidence préalable d'un jugement. Au vu d'innombrables conséquences qui caractérisent l'exploitation minière artisanale, vu d'innombrables conséquences qui la caractérisent, l'exploitation minière artisanale présente certes des inconvénients, mais elle présente, de notre point de vue, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les problèmes couramment rencontrés dans le cadre de l'exploitation minière artisanale sont entre autres rassemblement anarchique des personnes, risque élevé d'accidents, création d'agglomérations habitat précaires dans lesquelles règne une grande promiscuité et des consommations et, des risques d'incendie, absence d'hygiène de vie et divers désordres sociaux. L'exploitation minière artisanale est exercée sans respect des, des règles en matière de sécurité de l'environnement. Les risques les plus importants en termes de gravité, car souvent mortels, sont l'éboulement et l'affaissement des blocs de terre, la chute d'ouvriers lors de la sortie des puits et ou des galeries, incendies, maladies contagieuses. La ministre des Mines a apporté des éclaircissements pour répondre aux questions des députés relativement à l'exploitation minière artisanale. Le limite quant à la profondeur des excavations, interdit toute exploitation en galerie et dit que sont prohibés, sauf dérogation, l'abattage à l'explosif et le traitement par voie chimique des minerais. En outre, je cite, l'exploitation artisanale s'applique aux indices de minéralisation de certaines substances dont l'exploitation sous forme artisanale et traditionnelle ou au jugement pour lequel la preuve est faite qu'une exploitation à l'échelle industrielle n'est pas économiquement rentable les enfants de moins de 18 ans sont interdits d'exercer toute forme de travail, tel que le creusement, des puits, l'extraction, le concassage, le broyage, le traitement, à l'exception de la bâtie et du Suisse. Et pourtant, moi, les sites que j'ai visités, j'ai vu des enfants de moins de 18 ans. La commercialisation, conformément toujours à l'ordonnance que je cite, un agrément conféré par le ministre de Mines est obligatoire à toute personne physique ou morale de droit nigérien, de droit nigérien, pour acheter, vendre ou exporter les substances minières produites dans les exploitations minières artisanales. Et seules les personnes morales agréées peuvent exporter ces substances. L'agrément à la commercialisation est valable un an il est renouvelable et il peut être accordé à des personnes physiques comme à des personnes morales. Face à cette situation, le gouvernement ne pouvait rester indifférent. Et c'est ce genre d'analyse qui, qui a conduit à la fermeture des sites de d'orpaillage, notamment d'un ISA en novembre 2021, Tamou en juin 2021 Jadot en 2016. À noter que les travaux en séance à plénière reprendront le lundi 23 mai 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote des quatre projets de loi portant loi des ratifications. Euh, euh, le musée Boubou de Niamey a célébré, le 18 mai dernier la 48e, 45e autant pour moi édition de la Journée internationale des musées et c'était sous le patronage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Plus euh, de précision avec Moubarak Yakouba. Célébré le 18 mai de chaque année depuis 1977, le Conseil international des musées ICOM organise à l'occasion de la Journée internationale des musées un événement qui représente un moment unique pour la communauté muséale internationale. La journée internationale des musées a pour objectif de sensibiliser la société civile au fait que les musées sont un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement culturel et d'encourager la coopération de paix entre le peuple. Le thème retenu pour cette 45e édition est le pouvoir des musées. Qui dit pouvoir dit quoi Parce n'a on a parlé tout à l'heure, comme vous voyez, rien qu'au musée national, le musées qui a reconstitué les jardins des nations, là où il a représenté jusqu'à 52 drapeaux africains, c'est un rôle du musée de la diplomatie. Là où vous voyez, par exemple, euh, euh, euh, la participation du du du de l'éducation nationale, parce que le musée est devenu, si vous voulez, une sorte de tribune qui permet de lier la théorie à la pratique. À l'école, on enseigne une conscience l'ivresse mais au musée, c'est la pratique. Vous avez vu comment ici les étudiants de l'IMIC, vous avez vu comment les étudiants des primaires qui viennent ici, parce que tout simplement, ils ont eu des cours à l'école, mais il y a un terrain là où appliquer, c'est le musée. Ils viennent, et c'est cette, euh, si vous voulez, interdisciplinarité qui permet au musée d'être une institution valable, une institution redoutable qui méritent respect et de toutes les couches euh, de société. Et je reviens, quand on dit musée, le musée d'abord c'est quoi D'abord il faut un musée qui soit ouvert d'abord au public. Quand vous avez un, cabinet de curiosité qui est chez vous, là où personne n'accède, ce n'est pas un musée. Pour qu'il y ait un musée, il faut qu'il y ait les quatre paramètres, c'est-à-dire il faut qu'il y, qu y, ait les personnels, il faut qu'il y ait les collections, il faut qu'il y ait les visiteurs et il faut qu'il y ait les bâtiments. Voilà, c'est le part. Donc tous les musées que j'ai cités, et en tout cas à travers le monde, j'ai cité Aujourd'hui, on peut être à 200, à, 000 musées à travers le monde. Rien que les États-Unis, ils ont 3 000 musées, à eux seuls. Et ça, je ne parle de musées, pas de musées en fait qui, qui ne sont pas ouverts à l'ICOM, mais des musées qui adhèrent à l'ICOM. Et chez eux, Parlement à ça, et, ils ont jusqu'à 15 000 membres. C'est-à-dire ils ont des tiers de notre, de notre effectif au niveau international. Le musée national est élu, incomparable, et nous renseigne sur notre passé et ouvre notre esprit à de nouvelles idées. Avec les créations des objets artisanaux destinés à la vente, dans ce lieu, le musée est un réseau économique et touristique. Les étapes pour construire un avenir meilleur, d'où l'importance de la célébration de cette journée à travers le monde. La suite de cette rétrospective, euh, plus de 5000 euh, déplacés de la région de Tilabéry, département de euh, Tourodi et d'Argol cette semaine pour cause l'insécurité dans plusieurs villages des départements. Quelles sont les mesures prises du côté des représentants de ces populations et aussi du gouvernement Le député Hamma Halidou répond toutes les députés du département de Tilaveri et région de Tilaveri. Maintenant, ce qu'on a conclu sur les réunions, on a dit que, Inch'Allah, demain, on peut aller sur euh, et Torodi et Daragol pour voir les réfugiés, comment ils sont. Mais avant de, on va faire les réunions, on a cotisé, assemblé ici, on a eu 5 millions de francs CFA. On va dire, bon, on va aller, on va amener cette donne-là pour les gestes d'abord. Voilà. Le nombre là, personne ne connaît pas que Dieu. Mais les préfets qui sont venus hier, ils ont dit que vers, euh, ils ont arrêté 6 000 et quelques, peut-être 6 900 vers la euh, commune de Darogor. Il y en à Touré, Garbekourou, Kourou, Larba, Larba Birno, etc. C'est beaucoup de villages desquels ils sont partis. Mais nombre là, ça trouve à Samira. Toro dit, hier là, qui que parfait nous dit, jusqu'à ils ont seulement que 1300. Parce que Toro dit, c'est loin, mais c'est leur département. Et, tous, ils vont venir Torodi, ils vont venir Torodi. Le gouvernement qu'il a nous dit hier, ils ont nous dit que vraiment, ils vont faire tous leurs moyens qu'ils retournent dans leur village. Voilà ce que le gouvernement nous dit, ils vont créer les bases militaires là-bas. Voilà. Il dit aussi, ils vont, ils vont faire tout pour les amener les nourritures euh, qui veulent les suffire. Voilà. De son côté, la plateforme paysanne a procédé le 18 mai dernier à la maison de la presse à la rencontre avec les huit régions du Niger de leur plan d'action pour sauver la banque agricole du Niger. Les précisions avec Ibrahima Abdelkader et Abdel Nasser Abdou. Partager avec toute la population nigérienne, le rapport de la mission d'information par rapport au financement de l'agriculture du Niger, tel était le but de cette conférence de presse du cadre de concertation paysanne. La plateforme paysanne qui est une organisation à but non lucratif. Cette mission a sillonné les huit régions du Niger pour informer les Nigériens des nouvelles dispositions volontaires prises pour améliorer les différents secteurs. La Banque agricole du Niger, Bagri, ainsi créée est donc actuellement la seule et unique banque nationale du Niger. Il est important de souligner cela pour que l'opinion nationale nigérienne comprenne que la Bagri est leur banque et pour ne pas dire leur propriété. C'est pour cela que la plateforme paysanne, acteur clé de la création de la Bagri, se mobilise et se bat au quotidien pour que cette banque reste et demeure nationale que la baguerie ne soit pas cédée à des privés, puisque nous sommes bien au courant de tout ce qui s'y traîne, se trame autour, et nous tenons à le dire ici, que la baguerie fait objet de tentatives de cession au profit des privés. D'ailleurs, plusieurs rumeurs et publications alimentent les spéculations un peu partout au Niger. La plateforme paysanne, composée de 13 principales organisations paysannes, intervenant sur l'ensemble du territoire dans tous les domaines du secteur rural et informé des critiques adressées en direction de la Bagri. Donc pour résumer l'essentiel, nous pourrions dire que la Bagri est tout sauf une banque agricole, c'est ce que les gens disent. Effectivement, puisque la Bagri SA est créée pour financer les marchés, commercialisation, développer les capacités de production, les systèmes de stockage, de transformation, de conditionnement, etc., Liés au secteur rural, les critiques formulées par l'opinion peuvent se comprendre. D'ailleurs, suite à des réflexions paysannes entamées entre 2014-2015 et des études commanditées en 2020, le constat fait que la plateforme et les organisations paysannes membres et que le financement de la baguerie dédiée au secteur rural est très insuffisant dans son ensemble et ceci suite à l'absence des ressources adaptées aux besoins de développement des chaînes de valeur à avantage comparatif du Niger au vu de leur domiciliation dans les livres d'institutions financières n'ayant pas de mission des services public. Dans les régions, nous avons expliqué aux paysans que si chaque productrice ou producteur cotise ne serait-ce que 1000 francs CFA par an, il sera mobilisé environ 3 milliards de francs CFA si seulement 3 millions de ces producteurs cotisent. Cela veut dire, cela, cela veut qu'ils deviennent des épargnants et des actionnaires de la Bagri. Ainsi, ils peuvent facilement accéder à des crédits et du coup, de finance, et du coup financer leur activité. Ainsi, suite aux concertations tenues dans les différentes régions, nous pouvons vous rassurez du soutien et de l'engagement des acteurs pour la mobilisation des fonds afin que la Bagri soit réellement la Banque nationale agricole. Pour faire de la Banque agricole du Niger une structure appartenant aux agriculteurs, éleveurs et autres, la plateforme paysanne est prête à se battre pour concrétiser son rêve si cher aux paysans nigériens. Lancement officiel le 19 mai dernier des activités de la deuxième édition de la journée culturelle organisée par les étudiants de l'Institut des, hautes études managériales et c'était en présence de plusieurs euh, invités. Reportage Ramatoumou. Et par ces défilés traditionnels qu'a débuté la journée culturelle de l'Institut de haute études managériales IFEM, initiée par le comité exécutif du, dit Institut en collaboration avec leur administration, dans le seul but de sensibiliser les étudiants sur la consolidation de la paix en milieu scolaire et la valorisation de la culture nigérienne. Nous voici retrouvés aujourd'hui à l'occasion de la deuxième édition journée culturelle organisée par le comité exécutif de l'IFEM pour échanger sur les bonnes pratiques à travers la culture nigériane, à savoir le sketch, la danse chorégraphique, le karaoké, le poème, etc. Cette deuxième édition a été organisée par un bureau dynamique des élèves et étudiants de l'IFEM c'est pourquoi je profite de cet instant solennel pour féliciter et encourager tous les élèves et étudiants de l'IFEM en général et le comité exécutif en particulier. Prenant la parole, le secrétaire général de l'Institut de haute étude managériale est revenu sur les objectifs assignés à cette deuxième édition. Ces éditions ont pour objectif de rappeler souvent la date de création de l'IFEM. L'IFEM a été créé le 10 mars 2012 par arrêté numéro 084 et ouverture le 10 octobre 2012 par arrêté numéro 0240, consacrant ainsi ses 10 ans académiques d'existence. Ceci démontre combien de fois l'engagement du comité exécutif de l'IFEM en organisant cette journée culturelle a relevé les défis qui se posent en lui. J'ose espérer que les autres sous-sections de l'IEPTN nous emboîteront le pas. Car à travers ce genre d'activités, nous faisons non seulement la visibilité de notre structure, mais aussi et surtout, nous administrons à la face du monde un bel exemple et ceci rentre dans le cadre du rayonnement de la formation professionnelle au Niger, en général et de l'IFEM en particulier. Monsieur Abdou Soleil, enseignant à l'UFEM, a félicité l'ensemble des étudiants qui ont pris part à cette deuxième édition. Il a aussi rappelé aux étudiants l'attente de l'administration envers eux pour les examens de fin d'année, tout en souhaitant bonne chance aux candidats. Notons que plusieurs activités à caractère culturel ont été à l'honneur de cette deuxième édition de la journée culturelle de l'UFEM. Sur tout un autre plan, l'hôtel Bravia a servi de cadre cette semaine à un atelier de restitution du projet écouvant un projet portant sur les tests euh, hygiéniques de la COVID-19 au Niger. Reportage Zenab Kakara. Partager les résultats de la recherche sur les tests antigéniques à travers le projet ECOVAN mis en œuvre par le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES et l'ONG saint Niger, tel est l'objet de ces présents ateliers de restitution du projet ECOVAN après sept mois de travaux. Ce projet, appelé ECOVAN pour évaluation opérationnelle d'une stratégie de dépistage des cas suspects de COVID-19, basée sur l'utilisation de tests antigéniques au Niger. C'est une recherche opérationnelle sous forme d'études pilotes pour générer des données probantes pour permettre au ministère de la Santé publique, la population et les affaires sociales d'adapter sa stratégie de diagnostic de la COVID-19 à travers l'utilisation du test antigénique. Les objectifs de ce travail de recherche sont de façon générale, générer par une étude pilote des données probantes à l'intention des institutions sanitaires nigériennes afin d'adapter la stratégie de diagnostic de la COVID-19 et la place du test antigénique dans la riposte nationale à la COVID-19. Et spécifiquement, les objectifs sont d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de la stratégie de dépistage de la COVID-19 basé sur les tests antigéniques, évaluer l'impact et la plus-value de cette stratégie de dépistage, évaluer le ratio coût-efficacité de la stratégie, évaluer la performance du test antigénique en conditions réelles d'utilisation au Niger. Ainsi, au terme de la mise en œuvre ayant duré sept mois de novembre 2021 à mai 2022, nous allons suivre et écouter les différents acteurs qui ont conduit l'étude et qui vont nous dérouler donc la les réalisations et les résultats atteints. J'en appelle à toutes et à tous une attention soutenue pour une contribution constructive aux résultats atteints. Je ne doute aucun instant, au vu des profils des participants, qu'il ressortira des propositions et recommandations pertinentes en vue de peaufiner le document final. Au nom des plus hautes autorités du pays, je vous exhorte donc à une participation active et une appréciation objective et constructive. Ce projet ECOVAN est un projet qui a permis non seulement de renforcer les systèmes de dépistage de COVID-19 au Niger à travers les tests antigéniques, une solution rapide et efficace pour le dépistage de la COVID-19 au Niger, mais permet aussi de renforcer la capacité des agents de santé intervenant dans ce domaine. Le gouverneur de Niamey a servi de cadre à une conférence de presse organisée par les spécialistes de production d'émissions Madoubi dans le cadre des préparatifs de la première édition de la nouvelle organisation dénommée Tamamoumou. Plus de précision avec Moubarak Yakouba qui commente les images de Ibrahim Kantama. C'est dans le cadre de lancement de la première édition de l'activité de la nouvelle plateforme Tarmamoumou que cette conférence de presse a eu lieu. Cette nouvelle organisation initiée par des jeunes soucieux de la créativité des acteurs veut être la principale cérémonie nationale de récompense reconnue et incontournable. Une conférence de presse qui regroupe les journalistes, les influenceurs, les partenaires dans le but de faire une brève présentation de Tarmamoumou. L'idée en fait de Tarmamoumou, c'est de cultiver, cultiver, promouvoir du la culture de l'excellence et du mérite. Donc, comme vous le savez, les gens travaillent. Et le travail, en réalité, on ne le fait pas que pour avoir un salaire, un gain. C'est vrai que personnellement, on travaille. Nous, personnellement, quand nous travaillons, c'est pour gagner sa vie, d'abord. Mais vous savez, nous travaillons aussi, on crée de la richesse, on fait de la production. Même si souvent dans nos pays, on a du mal avoir l'impact du travail de certaines personnes, certaines personnes qui travaillent de certaines catégories, il est évident, même si on a du mal à le voir, que le travail, c'est de la production. Et quand on produit, on crée de la richesse. Donc c'est pourquoi il est important d'encourager ceux qui travaillent, de les célébrer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette plateforme pour vraiment cultiver, faire la promotion de ces, culture de l'excellence et du mérite. Donc c'est ça la motivation première. Quant aux organisateurs, ils ont tenu à expliquer l'événement de la première édition. Un projet que nous nourrissons depuis plus de 3 ou 4 ans maintenant. Donc il nous a fallu passer par plusieurs chemins pour que euh, ça puisse se faire. Déjà nous avons reporté ça deux à trois fois avant finalement de, pouvoir nous lancer. Il faut le dire qu'au Niger, nous avons des mal à célébrer euh, nos, artistes, les personnes qui sont les plus importantes pour nous, c'est-à-dire que les personnes qui amènent du changement au Niger. Dans toutes les activités possibles, nous avons le cinéma, la musique, euh, le social aussi. Donc nous nous sommes dit, voilà, c'est vraiment comme ça se passe dans, les autres, dans, dans les autres pays. Nous aussi, nous devons le faire. Nous devons changer quelque chose parce que chez nous, il y a du talent, il y a la culture. Si je vais juste vous dire quelque chose que peut-être beaucoup de déjà ne, le savent pas, au Niger, c'est-à-dire quand on va dans le domaine du cinéma, en documentaire, chaque fois quand on sort, le Niger remporte des trophées. Le Niger remporte des trophées en musique. Les, chanteurs, amènent des trophées au Niger. Mais malheureusement, chez nous ici, nous n'avons pas créé de cadre pour célébrer ces gens-là. Il y a des musiciens qui ont des trophées qui sont dans leur couloir actuellement à la maison. Pourquoi Parce que nous n'avons pas créé euh, les conditions de montrer l'importance de ces personnes-là. Donc, vraiment, l'objectif de Tarmamoumou, c'est vraiment essayer de célébrer euh, nos étoiles, comme on le dit, dans toutes les catégories euh, qu'il y a au Niger. Certainement que cette première édition, nous avons choisi 10 catégories pour commencer avec et au fil des années, nous allons augmenter des catégories parce que ça va grandir. Nous allons dire qu'en fait, c'est un bébé, c'est un tout petit bébé qui vient de venir au monde. Et au fil des années, il va grandir, il va gagner en maturité et il sera au top de sa forme peut-être quand, il aura 18 ou 20 ans, comme un être humain normal. Il faut rappeler que cette conférence de presse a pris fin avec des questions-réponses. La plateforme Parmanoumou, un nouveau avenir pour les musiciens, les cinéastes et les artistes du Niger. con depuis plusieurs années et utilisé par euh, les femmes pour euh, divers euh, besoins. C'est un instrument d'une existence lointaine et transformé en différents objets d'une grande utilisation. Quel est donc cet outil Voyons cela dans ce reportage de Zainabou Gagra réalisé lors de la deuxième édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger. De l'ustensile à l'objet de décoration, la couche est utilisée comme ustensile de cuisine, bol, louche, plat par les femmes depuis plusieurs années. La couche est aussi utilisée dans la fabrication d'objets d'art et de décoration pour booster la créativité nigérienne, la jeunesse nigérienne a poussé sa recherche dans la fabrication des objets pour les besoins de la population nigérienne et surtout pour réduire le taux d'importation de certains objets grâce à la couche. Euh, mes créations, c'est des veilleuses, des veilleuses en calebasse et j'ai fais des tableaux des tableaux abstraits. Ça, on appelle ça veilleuse, ça, on appelle ça abajou, j'ai des appliques, des appliques murales, j'ai des lampadaires, voilà, et j'ai des tableaux abstraits par rapport à la clientèle nigérienne. Parce que les Nigériens euh, n'achètent pas trop les produits locaux, ça encore il y a un problème, mais quand même il y a d'autres qui ont commencé à comprendre, à venir acheter. Voilà mais encore il y a un problème de matériel. Parce qu'au Niger, euh, il n'y a, a pas tellement de matériel de l'art plastique. Il faut toujours commander de l'extérieur. Ça nous, c'est un problème majeur qu'on rencontre. Bon, c'est cher par rapport à l'évolution du travail. Un travail qui a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. Donc regardez l'évolution de ce travail-là. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées il y a beaucoup de matériaux qui sont ajoutés à sa fabrication. C'est normal si on va faire, euh, si on fait, on va faire un, euh, euh, sondage par rapport à tous ces moteurs, on un amortissement, c'est normal, le produit peut être cher. Mais quand même, on peut dire que on peut voir. Parce que la façon dont on vend au Nigeria, ce n'est pas la même façon qu'on vend à l'extérieur, malgré que le produit qu'il pense qu'il cherche. Chaque autorité doit penser à son bureau, à sa maison. Si sa maison est bien décorée, tant pis. Mais son bureau, quand on regarde une autorité, derrière, il n'y a rien. Il n'y a aucune décoration. Et la décoration apporte de l'harmonie dans le bureau. Même les visiteurs qui viennent, qui le visitent, ça apaise l'esprit, les tableaux qu'on fait. Voilà. Nous, ce qu'on veut, on veut qu'ils achètent, qu'ils mettent dans le bureau. Si la maison, c'est bon, c'est encombrant, oui, on va là, mais on regarde dans le bureau, il n'y a rien. Les murs sont vides. Nous, c'est là qu'on lance l'appel de venir acheter pour décorer leur bureau. S'ils consomment, nous, on va créer du travail, on va créer du métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut prendre, il y a des jeunes qu'on peut embaucher. Ils vont travailler, on va les payer. Le paysan, qui cultivent par exemple la calebasse, si on commande chaque fois la calebasse, ils vont réfléchir à produire beaucoup davantage sur la calebasse. Encore ça même, c'est le paysan qui gagne. Voilà. Il y a le transporteur, celui qui va transporter la calebasse, lui-même, il va gagner. Donc c'est une chaîne de production. Ceux qui vendent la peinture, les ampoules, tout ça, les trucs électriques. Et ça, ça va, tout le monde gagne. C'est pas nous seuls. Donc, plus ça peut faire la promotion, ça peut faire une industrie encore culturelle, parce que c'est de la culture qu'on voit. Les autorités nigériennes doivent encourager davantage l'innovation et la créativité de la jeunesse nigérienne afin d'inspirer les autres jeunes nigériens à leur emboîter le pas. La suite de ce journal avec euh, ces cas de divorce enregistrés cette euh, année de janvier à ce mois de mai 2022. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène qui inquiète tant la population euh, nigérienne Suivant plutôt ce reportage de Zenabou Gagara. Le mariage est un acte d'adoration en islam, un lien qui unit deux personnes, mais force est de constater ce dernier temps un chiffre élevé de divorces, un phénomène d'une grande inquiétude sociale dans le pays. Malgré que les fidèles musulmans ont ce droit au divorce, l'islam recommande aussi des processus à suivre avant le divorce. Avant l'événement de l'islam, le mariage n'est pas aussi respecté dans les sociétés c'est l'islam qui a instauré euh, comment est-ce que les jeunes doivent se marier. l'association islamique, euh, dans ses activités quotidiennes, touche euh, à plusieurs questions, précisément le mariage et le divorce. quand on a essayé de constater les causes principales du divorce, nous avons dans un premier temps l'incapacité financière du mari après le mariage. On constate que généralement, euh, les demandes de divorce, que le mari est dans l'incapacité financière de protéger sa femme, de la supporter, de la prendre en charge, nous avons une autre cause principale, c'est que nous appelons ici euh, un mensonge réciproque. Le couple, avant de se marier, chacun cherche à cacher la vérité, que ce soit euh, sur le plan financier ou, sur le plan caractère. Il y a deux fois euh, le fait que les hommes se euh, marient euh, une deuxième, une troisième, donc la première ou la deuxième, etc. De face à cause de problèmes, et les gens euh, ne supportent pas, surtout les femmes. Donc voilà quelques causes principales. Mais ici, nous, au niveau de l'association islamique, il y a des processus pour arriver au divorce. Dans la sunna du prophète Mohammed, on doit rester avec sa femme pour lui donner des conseils, pour lui montrer que le mariage n'est pas un simple hasard. Donc euh, il faut que le mari euh, prenne connaissance de l'islam et prodigue quotidiennement le conseil à sa femme pour montrer qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Au cas où les conseils quotidiens ne donnent pas de résultat, on demande au mari de ne pas partager le lit avec sa femme pour un moment ne doit pas dépasser trois jours, afin que la femme sache qu'il y a un problème et qu'elle doit régler ce problème. si cela ne suffit pas, on demande au mari de corriger sa femme légèrement. Ce n'est pas de grandes frappes qui font couler du sang, c'est une manière de montrer à la femme que le mari n'est pas content et que la situation doit être euh, doit trouver une solution. Euh, cette étape ne suffit pas aussi euh, faire recours au dialogue entre les délégués de deux époux qui vont écouter, qui vont essayer de trouver une solution pour la question du mariage avant même le divorce. Le secrétaire général de l'Association islamique du Niger est revenu aussi sur le taux de divorce enregistré à l'Association islamique du Niger de 2018 à 2022. En 2018, nous avons enregistré 962 cas de divorce en 2018. En 2019, nous avons enregistré 858 cas. En 2020, nous avons enregistré 905 cas. Et en 2021, nous avons enregistré malheureusement euh, plus de 3048 cas. Et en 2022, nous sommes au mois de mai 2022, euh, ça tourne autour de 600 et quelques cas. À noter que les 600 divorces enregistrés par l'Association islamique du Niger sont ceux de Niamey ainsi que de l'intérieur du pays enregistrés par l'Association islamique du Niger de janvier 2022 en ce mois de mai 2022. Après l'axe euh, d'Angao, rond-point église, euh, la haute sécurité pour euh, l'hygiène et l'assainissement s'est retrouvée cette semaine sur l'axe station Telwa Bolloré dans le seul but de rendre la ville propre. Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama nous en disent davantage. Propreté est la seule et première image qu'une ville offre à ses habitants et ses touristes. Très vite, la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement a compris cela. Et grâce au concours de l'autorité municipale à sa tête, Oumarou Dogali, la mise en place de HSHA a permis de nettoyer et de débarrasser de beaucoup de tas d'ordures de sable, de plastique qui gangrènent les acteurs de la ville de Niamey. Beaucoup de tronçons comme l'axe route Saga, le troisième pont, l'axe Niamey 2000 et Bolloré ne faisant pas partie des quartiers d'intervention de la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement, mais pris en compte pour que Niamey retrouve son image de la capitale du Niger. Cette voie ne peut pas partir de nos voies contractuelles. Euh, nous sillonnons la ville dans notre commune où nous intervenons, conformément à notre contrat, si nous constatons que certains ruelles sont plus ou moins euh, sales, nous prenons l'engagement de les rendre propres de les nettoyer, c'est une façon de contribuer de plus. Il n'est pas dit, parce que tout simplement, les voies qui nous sont octroyées conformément au contrat que nous avons parapé, que nous devrons nous, arrêter là-bas. Non, nous devons contribuer, parce que cette ville, c'est notre ville. Et personne ne peut venir l'assainir. Il faut que nous-mêmes, nous, nous Comme nous avons euh, un un responsable à la tête de notre ville, qui est vraiment un homme euh, d'état courageux, qui a initié euh, la propriété de notre, ville. Nous pensons que nous devrons l'appuyer et nous devrons contribuer le maximum que peut se faire pour rendre notre ville propre. C'est pour cela, euh, ce matin, vous avez constaté tout au long de, de la voie. Maintenant, euh, la commune 4 même, jusqu'au rond-point Talwa. Nos agents sont déployés tout au long euh, du voie pour pouvoir euh, nettoyer cette rue, la rendre propre. Surtout que nous avons certaines institutions qui sont dans cette voie. Nous avons une école de santé, nous avons un, un ex-président de la République, nous avons en tout cas pas mal d'institutions qui sont sur cette voie-là. Donc euh, vraiment, euh, il faut que nous contribuions d'une manière générale à rendre notre ville propre. Et qui dit la propriété dit la santé. Et je crois qu'il est quand même assez important que nous puissions appuyer ce, cet homme d'État qui, jour de nuit, il a l'habitude de, de, sortir la nuit. Nous, on le voit poussionner ces rues. Et donc, vraiment, c'est pour euh, apporter notre modeste contribution sur l'effort qu'il est en train de faire, y compris ses conseillers. Voilà ce qui nous a parfaitement motivés à prendre cette rue qui ne sont même pas dans, même dans la commune. La propriété est une affaire de tous. Le premier responsable de la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement en a profité pour sonner la l'alarme. Comme en tout cas les, responsables communaux de l'hygiène ont toujours euh, eu l'habitude de le faire, la sensibilisation même nous, nous avons euh, pas pour mener des sensibilisations. Nous avons enlevé des brigades de sensibilisation porte à porte et boutique par boutique, afin de les sensibiliser. Nous avons l'habitude de, rencontrer les, les les syndicats de Faba Nous avons l'habitude de, rencontrer les taximans, afin de les sensibiliser pour qu'ils aient des, des petites poches dans leur véhicule quand les clients consomment, au lieu de les rejeter, de les mettre et arriver dans une poubelle publique, de les reverser. Et même euh, le fameux vase euh, qu'on dans le mois d'octobre, nous avons eu à adresser un rapport euh, d'activité à la ville, donc au premier responsable de la ville, où nous avons attiré l'attention sur les bennes qui ramassent les, les sables et autres là, qu'ils n'ont qu'à les instruire à leur niveau et qui sont les autorités communaux, de trouver des bâches. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui nous avons vu que ça a été concrétisé depuis janvier, je crois. Et ça, nous, nous avons, euh, nous avons attiré leur attention, c'était en octobre, au début de notre contrat. C'est des faits de longue haleine, de tous les jours et de chaque instant. C'est un comportement qu'il faudra euh, changer, amener les citoyens à changer, à vouloir avoir un comportement euh, bon, en tout cas de lutte afin de rendre notre ville propre et saine. Ce n'est pas l'hygiène et l'assainissement qui est le seul domaine d'intervention de HSHA. Cette structure lutte également contre le chômage et la mendicité en donnant du travail à ses veuves pour la plupart, leur donner une seconde chance de gagner leur vie sans avoir à tendre la main ni compter sur quelqu'un. Il est donc impératif de soutenir et d'accompagner ces genres d'initiatives, surtout avec cet accroissement rapide de la population pour que Niamey retrouve sa splendeur tant recherchée. Et c'est la fin de cette euh, rétrospective euh, de la semaine sur Tendra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir et bon début de semaine.